nak fanweer ak juróom-benn yoon ñuy amal pèlerinage marial bu Popenguine ci monseigneur André Guèye. képp ku jokkoo ak ñii de Popenguine xam ne ñun dañuy woote ndax ñu tabax suñu Sénégal ànd ak Mariama maanaam. ci kaw ñaan ñu ñaan ndax yàlla may nu pas-pas pexe ñu mën a tabax Sénégal ci jàmm ak jubaay thème bi ñu tànn nag jëm ci wàllum justice ak wàllum jàmm looloo tax euh, évêque bu cees ñaan nguur gu bees bi mu liggéey ngir jàmm sax ci biir Sénégal. ba situation bi fi amoon mu bañ amati maanaam ci wàllu jàmm. ak ci wàllu justice bi loolu bokk na ci li sénégalais yu bari di xaar Sénégal jëm kanam ci wàllu woowu. mu ñaan it ñi nga xamante ne ñoo di président Diomaye ak ñi mu àndal ñu jublu ci jafe-jafe askan wi ni ko diggee woon ci campagne électorale bi. yaakaar gi jaatu na bare na il faut ñoom ñu tàmbali oyofal coono nit ñi dund gi seer na métti na bokk na defe na ci li tax askan wi fal leen kon ñu ngi leen di xaar bu baax ci wàllu woowu. moom moom lee di monseigneur André Guèye fàttali autorité yu yees yi lee ne war nañoo wéyal liggéey soppi xar kanamu Popenguine ak yeneen bërëb yi nga xamante ne chrétien yi dañ fa dajee pèlerinage marial bu Popenguine jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ci weeru mee ñu seenu Une 136e édition du pèlerinage marial de Poponguine, un moment fort de spiritualité, rappelle Monseigneur André Gay. Mais l'importance du pèlerinage réside dans sa signification. Aller en pèlerinage, c'est sortir de soi-même pour aller à la quête du spirituel, pour approfondir sa relation avec le divin. Le thème choisi avec Marie, notre mère, marchant ensemble pour un Sénégal de justice et de paix, colle parfaitement avec ce contexte d'après-élection au Sénégal. Et l'évêque de Thiès d'inviter le nouveau régime à s'engager à créer une véritable paix au Sénégal. Les nouvelles autorités s'engage à construire, à créer les conditions d'une paix véritable, une paix de cœur, bien sûr. Et c'est pourquoi nous accueillons avec beaucoup d'espoir le programme qui consiste à revoir le fonctionnement de la justice. Le religieux d'inviter le nouveau régime à œuvrer pour la satisfaction des difficultés des citoyens, comme promis lors de la campagne électorale. C'est d'abord ne pas oublier les promesses électorales qui doivent sortir de l'état de promesse pour être un programme d'action visant à alléger la souffrance des populations. Cela, c'est une attente très forte des populations. Le pasteur a saisi l'occasion pour interpeller les nouvelles autorités sur la nécessité de poursuivre les travaux de rénovation de Popongin ainsi que les autres lieux de culte du diocèse.